Diallo, vous recevez ce soir la bibliothèque du sport sénégalais, c'est à vous. Oui, euh, Chérif euh, Diop, vous l'avez dit, la bibliothèque du sport sénégalais, chroniqueur euh, sportif que l'on ne présente plus au Sénégalais. Abdoulaye Diop, bonsoir. Bonsoir Diallo. Bonsoir, papa comment il s'appelle encore Barthélémy Barthélémy Ngom. <laughs> je ne suis pas dans mon domaine aujourd'hui, mais je vais quand même essayer. <laughs> Bonsoir, euh, alors, bonsoir, euh, quand même, la rencontre d'hier entre le Sénégal et Swatini, quand même, a fait beaucoup parler. Euh, un, débat qui a quand même frisé même la passion. Alors, d'abord, quelle est votre lecture sur cette rencontre d'hier A fait beaucoup parler parce que les Sénégalais ne s'attendaient qu'à gagner j'ai comme l'impression que Aliou Sissé est incompris dans ce domaine. Il dégage les horizons du futur. Il est déjà qualifié. Avant d'aller à Brazzaville et à Bissau, il venait de faire quatre matchs de championnat. Donc les qualifications, ce sont des matchs de championnat. Six. Mhm. Il a gagné les quatre premiers. Déjà qualifié. Entre Bissau et Brazzaville, il avait une liste de 30 joueurs parmi lesquels 17 nouveaux, 17. Il est déjà qualifié. Même en perdant, il reste leader du groupe, déjà qualifié. J'ai dit 17, c'était 19, plus les deux locaux, ce qui n'arrive pas souvent, mhm. à avoir des locaux en équipe nationale. Il a fait venir 19 locaux, à Brazzaville, mhm. sur un synthétique, un gazon synthétique, que nos footballeurs découvrent, sous 30 degrés, synthétique sous 30 degrés. Il plonge dans le bain, huit, nouveaux qui découvrent l'Afrique pour la première fois. L'un d'eux est l'homme du match, Abdou Diallo. Si tout le Sénégal dit vive Abdou Diallo, c'est parce qu'Aliou Cissé est allé le chercher. Hier, c'est un nouveau qui était l'homme du match, Nampalis Mendy. Mhm. C'est encore sa trouvaille. Mais c'est l'objectif que s'était fixé Aliou Cissé en faisant venir 19 nouveaux joueurs. Brazzaville 8 sont dans le 11 de départ, mmh. hier, 7 sont dans le 11 de départ. Ils s'ouvre à l'avenir. Parce qu'une équipe, il ne faut pas attendre d'avoir besoin de... Mais, mais est-ce qu'en réalité, est-ce qu'il n'a pas mal débuté cette rencontre quand même Parce que euh, tout le monde s'attendait à ce que le Sénégal termine ses éliminatoires en beauté. Oui, d'accord, il faut changer, il faut toujours chercher du talent. Mais à euh, l'UCC, beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas compris son départ. Il aurait pu euh, mettre les Sadio Mané, les Idrissa Ganagé au départ. maintenant, au terme de la rencontre, vers la fin du match, par exemple, euh, il met les nouveaux. Pendant un moment, quand il s'est agi de ne pas, de ne pas laisser les, footballeurs qui vivent, qui vivent en Europe pour ce match-là, certains étaient d'accord sur une base locale. D'autant que nous avons une base locale qui voyage aujourd'hui en Afrique, mhm. entre Tenguet et Giraffe, ça aurait été une bonne entente. Nous sommes déjà qualifiés. Nous sommes déjà qualifiés. Oui, mais, il, peut se permettre de faire des... Parce qu'un entraîneur, il vit en avance sur son époque. Il vit en avance sur son équipe. C'est quelqu'un qui cherche constamment. Voilà d'ailleurs pourquoi le métier d'entraîneur vieillit très vite son homme. Il vieillit, les entraîneurs vieillissent très vite. Ils ne dorment pas. Constamment, ils font des recherches. Quelles sont ces recherches Je viens de le dire. 30 convoqués, 19 nouveaux que les Sénégalais découvrent pour la première fois. 19. Au départ, à Brazzaville, 8 titulaires. Hier, à Thiès, 7 titulaires. Et chaque fois, l'homme du match sort de ses nouveaux. D'accord. Dans Palissière, à mm. Abdou Diallo à Brazzaville. Brazzaville, d'accord. Justement, euh, on s'arrête un peu sur euh, ce qui s'est passé à Brazzaville. Euh, le Sénégal qui joue deux matchs. Oui. Sans victoire. Oui. Deux matchs avec un seul but. Sans victoire et sans défaite aussi. Sans défaite, oui, d'accord. sans défaite. Avec le Congo, c'était match nul. Oui. Le Congo, le Congo a été battu par la Guinée-Bissau. Oui. Lors de, Hier, 3-0. La Guinée-Bissau que nous avons battu à l'aller et au retour. Oui, et chez nous et chez elle. Guinée-Bissau qui a battu l'équipe qui nous a tenu tête. Mais la Guinée-Bissau, quand il s'est agi d'un match dont nous avions besoin, nous l'avons battu. Parce que les, résultats restent liés souvent au contenu du match. Le contenu. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ce match Qu'est-ce qu'on est allé chercher à Brazzaville Sinon répondre aux exigences d'un calendrier. On ne peut pas ne pas jouer, on va jouer, même qualifié. Et hier à encore aux exigences d'un calendrier, tu mets les joueurs qui sont considérés peut-être comme étant aspirants et dont tu auras besoin dans un proche futur. Tu ne vas pas attendre d'avoir besoin d'eux pour les faire jouer. Je suis d'accord avec tout le monde que cette équipe-là est améliorée. C'est vrai. C'est Abdoulaye d'après ce que j'ai lu ce matin dans la presse, mais si je suis profane, euh, c'est Abdoulaye, euh, c'est le cas. Et la plupart des Sénégalais, quand même, ont, demandé son départ. son départ est devenu même une, demande sociale. Est-ce qu'il doit partir Re non, non, je ne pense pas. Pourquoi Il faut le renforcer. Il est protégé par ses résultats. Quels résultats Il vient de faire 26 matchs. Il a gagné 22 fois entre les qualifications Cannes et Coupe du Monde. 26 matchs. Il a gagné 22 fois et fait 4 matchs nuls. Il n'a pas perdu de compétition officielle, si ce n'est en finale contre l'Algérie et en poule. 26 matchs. Même, cette finale aussi, beaucoup ont remis en cause. D'accord, euh, c'est le même problème. C'est le même problème que tu évoquais tout à l'heure. Une équipe qui reste en défense. Vous savez. apparemment, il a un problème pour déjouer un bloc bas. Mais vous savez pourquoi mhm. En football, il faut être deux. Il faut être deux à vouloir un résultat pour tendre vers un match ouvert. Mais vous savez, avec l'évolution des tactiques aujourd'hui, quand une équipe ne veut pas gagner ou ne peut pas gagner, elle peut ne pas perdre. C'est le cas hier de Eswatidi. Je n'ai jamais vu un match dans lequel le gardien du Sénégal a touché à deux ballons. Deux. Deux ballons. Oui, mais pour autant, on a joué. En première mi-temps, hein? on a joué. notre gardien, c'est dire que l'équipe adverse a joué constamment, je, ne dis même pas dans sa moitié terrain, mais dans sa surface de réparation. Mmh. Kouyaté, pour égaliser, il dit Bon, comme je n'ai plus rien à faire en défense, je vais rôder aux avant-postes. Et c'est lui qui égalise, Cher Kouyaté. C'est contre ces gars-là qu'il marque peut-être son deuxième but en équipe nationale. Et pourtant, même ça, Yomane a dit qu'il y a des choses à revoir. Mais c'est sûr, je viens de te le dire. À lui aussi, été renforcé. Parce que le bloc bas ça pose problème mais comment renforcer à justement Techniquement peut-être. Oui. Euh, euh, euh, a ébauché tout à l'heure la question. Comment contourner les blocs bas mhm. J'ai un jour posé la question au premier entraîneur national, celui qui nous a amenés à la Cannes en 1965, Libas Diop, qui était un des premiers professionnels sénégalais, les années 50. On l'appelait Libas Diop Bordeaux pour avoir été professionnel à Bordeaux. Je lui dis, tonton Libas, pourquoi nous n'avons pas l'efficacité. L'efficacité qui aurait dû aller avec le talent de nos joueurs. Il me dit, c'est parce que nous avons cessé de jouer comme nous devons le faire. Nous, Sénégalais, on ne peut pas jouer sans ailier. Les Sénégalais ne doivent pas jouer sans ailier. Parce que le fond de jeu n'est pas léché. Un, ce ne sont pas de grands athlètes. Mhm. Voilà comment, chaque fois, on a, on a, tendu vers des attaques rapides ce que l'on a reproché à aussi c'est le 3-5-2, c'est sans importance. C'est un dispositif. En tout cas, beaucoup remettent en cause son système de jeu, ses choix tactiques. Je vous dis, il y a eu. Mais vous savez ce que c'est que Barthélémy euh, C'est juste un dispositif. Sa valeur dépend de l'animation des joueurs. Mais parfois, l'animation fait défaut aussi. Euh, Et parfois, on perd le milieu du terrain. Je vous donne un exemple. Mhm. Les Sénégalais, on les battait dans la possession. On gagnait des matchs à partir d'attaques rapides. Mhm pour une fois, j'ai vu à Brazzaville, à la mi-temps, on affiche Sénégal, possession 60%, Congo 40%, le Congo qui est chez lui. L'équipe qui est chez elle. Sauf que le résultat final aussi est beaucoup plus important que la possession C'est sûr, mais je te dis, c'est le contenu. Parce que le Congo joue pour se qualifier. Nous, on est déjà qualifiés. Donc, l'équipe peut manquer de motivation. Et tu le fais avec des garçons qui découvrent pour la première fois la compétition en Afrique. Et sur un terrain non maîtrisé, le gazon synthétique. Et le gazon synthétique entraîne inéluctablement un tout autre ballon. Le ballon n'est pas le même. Ça change. Quand vous êtes sur du gazon synthétique, le ballon n'est pas un ballon normal. Il faut s'adapter à tout ça. Ils se sont adaptés à, ça. Mais le terrain appartient aux 24, aux 24 acteurs. Hein, mais mais ça dépend du contenu. Nous, nous voulons jouer. Nous voulons jouer. Nous avons envie de jouer. Mais nous tombons sur un gazon synthétique. L'adversaire vit connaît ce gazon-là, S'il est préparé. À la, décharge d'Aliou Sissé, quand les, quand les joueurs arrivent en équipe nationale, mais ils ont deux jours pour jouer, deux jours. Les automatismes ne peuvent pas être ceux d'un club. Quand les gens vivent ensemble. C'est à l'image de toutes les sélections. Mais je suis d'accord. Voilà comment toutes les sélections jouent moins bien que leur propre club. si tu vas en Espagne, si tu vas en Espagne, Barcelone et Real jouent mieux que l'équipe d'Espagne. Non, dire que cela ne peut pas être quand même une excuse valable. C'est pratiquement toutes les sélections qui sont logées dans la même enseigne. Mais c'est ce que je te dis. 48 heures de préparation. Voilà comment Aliou Cissé ne peut pas échapper. Voilà comment, voilà ne peut échapper à ce phénomène. Mais comment renforcer quelqu'un quand même qui qui a atteint ses limites euh, eh, non, c'est limite. C'est ce que j'ai lu, moi, où sont ses limites pratiquement Mais non, le problème, Le problème, c'est que le football est si populaire que, les professionnels du football sont jugés par des non-professionnels. Voilà le problème. Oui. À l'UCC, le football, c'est sa profession. Il est jugé par d'autres qui exercent d'autres professions et qui n'ont que le juger pour, pour, constater. Mais justement, maintenant, dites comment renforcer à l'UCC alors pour le rendre beaucoup plus compétitif. Techniquement, oui. moi, je, il y a trois ans, je disais, attention, Aliou Cissé est seul. Et avec... Non, il a un staff quand même. Il faut renforcer le staff peut-être. Le staff, technique. Avec une équipe. Non, tu sais, un staff, c'est quelqu'un qui te réoriente, qui te dit non, on ne fait pas ça. Il a des techniciens autour de lui aussi. Il faut renforcer le, staff technique peut-être. Certainement, parce que Là, de lui. dont on parle, bon, mhm. je, je, ne l'identifie pas. Qui lui a collé cet adjoint À quoi est-il utile l'adjoint d'Aliou Sissé Je lisais euh, ce matin quelqu'un dire que c'est un psychologue. C'est davantage un psychologue qu'un footballeur. Aliou Sissé a besoin d'un adjoint qui va l'aider à contourner les blocs bas, comme on dit. Les blocs bas, la première approche, c'est jouer avec des ailiers de métier. En tout cas, on a, l'impression qu'il n'a pas de, de, plan pour déjouer. Euh, Mais c'est valable pour tout le monde. <laughs> avant de venir, tout à l'heure, j'ai regardé une mi-temps avant de venir euh, euh, à l'émission. Mhm. J'étais en train de regarder Bosnie-Herzégovine, France. Mhm. La France était confrontée au même problème. Parce qu'il y a ceci en football. Ah, c'est lié à l'évolution des tactiques quand je joue contre une équipe qui est plus forte, j'installe le jeu sur une partie du terrain où je serai en supériorité numérique. C'est ça le bloc bas. Vous pouvez défendre à 11. C'est ce qui s'est passé apparemment hier avec, euh, contre Eswatini. L'équipe peut défendre à 11, mais toi, tu ne peux pas attaquer à 11. C'est-à-dire, la partie du terrain où se joue le match, l'adversaire, c'est la plus nombreuse. Mais, comment, comment renforcer quand même J'ai entendu aussi que c'est quelqu'un, à l'UCC, qui n'écoute qui personne euh, qui peut, pas être conseillé. Peut-être. Euh, euh, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Comment le conseiller Comment, le, renforcer dans ce cas Je suis d'accord. Ça, il appartient à ses amis, à ses parents et à ceux qui l'ont mis là. Au même, au même ses coéquipiers de 2002 on dit la même chose, même ses coéquipiers de 2002. Regarde, Binte, vous, vous allez être surpris si je vous dis, en 20 ans, lui et moi avons échangé une fois, 20. La dernière fois que nous avons parlé, lui et moi, c'était en 80, c'était en 2001 au Maroc. on s'apprête à jouer le Maroc. On a échangé rapidement. Il ne parle avec personne. 20 ans après, on ne s'est pas vu. Nous sommes en 2021. Et ça, tout le monde le lui a dit. La dernière fois que nous nous, que, nous, nous sommes rencontrés, on s'est juste salué. Là, il donne-moi ton numéro de téléphone, je lui ai donné, il n'appelle personne et il est inaccessible. Ça, c'est juste, il Ça, c'est vrai. Il se suffit. Il s'isole. Oui. Voilà comment il s'est isolé. Pourquoi il nage dans les erreurs il peut, avoir besoin. Mais j'ai rencontré des entraîneurs qui m'ont souvent dit Samarak Chili. Voilà pourquoi l'équipe de Pape Diop était tout le temps plébiscitée. Oui. il te dit Samarak la Oui. Il faisait confiance à tout le monde. Oui. Samarak Chili. Et tant d'autres. Et tant d'autres. Bon. C'est dans la critique. Il est protégé, c'est vrai, en ce moment, par ses résultats. Il faut maintenant le renforcer. Parce que moi, je dis, seul Bruno Metsu a fait mieux. Un quart de finale de Coupe du Monde. Il est à 26 matchs entre la Cannes et la Coupe du Monde. Il a gagné les 22. Mhm. Il a fait 4 fois match nul. Contre l'Algérie, on a perdu en poule et en finale chaque fois 1-0. Mhm. Confronté, surtout en finale, à ce bloc bas. Mhm. Le problème n'est pas seulement de Aliou Sissé. 90, 90, 88 minutes pour rattraper un seul but. Oui, mais ça, mais souvent, souvent tu ne le rattrapes même pas. Hier, on a frisé la catastrophe, on aurait pu perdre. C'est vrai, on aurait pu perdre. Et après presque 80% de possession, parce que tu butes sur quelqu'un qui ne veut pas sortir de sa maison pour batailler. Il reste là. Non, je ne sors pas. Si je sors, je perds. Mais est-ce qu'avec le jeu qui a été produit hier quand même, vous êtes optimiste un sacre des Lions. Ah oui, ah oui, je reste optimiste parce que qui joue une finale de Coupe d'Afrique pour la gagner. Sénégal à, condi à condition écoute aussi oui. ce qu'on lui dit. Ça, On peut ça, la juste. Coupe euh, ça, 2022. Juste. Oui, ça c'est juste. Il doit tendre l'oreille. Hmm. C'est d'ailleurs une chance que de pouvoir échanger avec les autres. Il a autour de lui des footballeurs, on peut lui être utile à quelque chose. Moi, le sujet, je ne le traite pas en journaliste, je le traite en footballeur. Oui. Barthélémy, j'ai eu, une présélection en équipe nationale quand on allait à la Cannes. J'ai joué au plus haut niveau au Sénégal, première division. J'ai eu une présélection. À notre première Cannes, j'étais présélectionné. D'accord. Mais aujourd'hui, ceux qui critiquent à euh, l'UCC, est-ce qu'en réalité, ils n'ont pas raison Si l'on sait qu'à l'UCC ses débuts hein, euh, comme entraîneur, c'était avec l'équipe nationale. Il n'avait pas de diplôme d'entraîneur, rien du tout. Il a débuté avec l'équipe euh, nationale. Euh, voilà, des, obstacles qu'il est en train de franchir jusqu'à arriver à, ce stade. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner raison à ces gens qu'il critiquent sur le texte qu'il n'a pas, n'a aucun diplôme d'entraîneur et qu'aujourd'hui, c'est normal que ces pour le footballeur Pour le footballeur, le véritable diplôme d'entraîneur, c'est certainement le maillot, le ballon et la godasse. Entre, si je me retrouve entre deux entraîneurs, celui-là, il sort de la pratique, celui-là à la culture encyclopédique, je prends celui qui sort de la pratique. À lui, sort de la pratique. Platini l'a été. Paris Saint-Germain a gagné une Coupe d'Afrique avec un entraîneur qui n'avait pas de diplôme, Luis Fernandez. Il vaut mieux la pratique. Après, on lui demandera d'aller chercher peut-être le diplôme. On va, le lui donner. On, ne peut ne pas avoir le diplôme et, devenir, avoir, l'écoute. Et, oui, et, être bon. Parce que je te disais tout ça, le diplôme, du, footballeur, le diplôme du footballeur vient, vient, vient, vient de la pratique. Euh, euh m'a dit une fois, l'entraîneur qui nous a qualifiés au Caire en 86, quand vous arrivez en stage, par exemple en Allemagne, vous arrivez aujourd'hui, le stage débute demain, match de football. Le stage commence par un match de football. Le stage d'entraîneur. Et vous êtes noté. Mhm. À quel niveau tu as joué chez toi Première division. À quel niveau Deuxième division. À quel niveau Équipe nationale On vous met de côté. Parce que vous appartenez tous à la même école, mhm. mais pas, vous n'êtes pas tous de la même classe. Mais Abdoulaye, quand même, les Sénégalais veulent soulever la coupe en 2022. Est-ce que c'est possible avec un entraîneur qui n'écoute personne, qui est trop autosuffisant Est-ce qu'avec un jeu, le jeu qu'on a vu hier, on peut quand même rester pessimiste Il apprendra de ses erreurs, c'est sûr. Jusqu'à quand mais ah, ça, fait 6 ans maintenant qu'il est sur le banc de l'équipe nationale. Il ne peut pas continuer à apprendre ad vitam aeternam. En 6 ans, il a joué la finale, il s'est qualifié à la Coupe du Monde. Et à ce jour, dans l'ordre des performances, seul Bruno Metsu a fait bien un quart de finale de Coupe du Monde. Mais lui, sauf que lui, à l'UCC, il a, euh, euh, a un, collectif, un effectif euh, qui est beaucoup plus mais, et ça, c'est son travail. Et c'est ça, c'est son travail. Quand, quand Alain est arrivé, nous étions 30e en Afrique. À son départ, nous étions 17e en Afrique. Gilles, quand il parti d'ici, il dit non, je n'ai pas échoué. Quand je suis arrivé, vous étiez 35e en Afrique. Maintenant, vous êtes 17e, je m'en vais. Je vous souhaite la chance. » est parti de cette 17e, place pour la première mm. en Afrique. Voilà comment le football sénégalais est respecté. Par ses résultats. Ce sont ses résultats. Il a perdu une finale de Coupe d'Afrique. Il est allé à la Coupe du Monde. Le Sénégal est le premier pays la première éliminé. La première nation africaine qui souffre, devant une équipe, qui hein? souffre devant une équipe des Swatini. Oui. Et Swatini, la première. Ça, fait mal aux supporters. La première nation africaine. Qui, qui, souffre devant une équipe, équipe de Swatini quand même. Quand le résultat était important, Swatini, quand c'était important, nous l'avons battu chez elle. Je te bats chez toi 4-1 quand c'était important pour nous deux, je te bats 4-1. Quand tu as voulu du résultat, toi et Swatini, tu as voulu du résultat, tu es chez toi, on y va. Je te mets 4-1. Chez moi, c'est terminé. Je ne suis plus qualifié. Ceux qui t'ont battu 4-1 chez toi, ils sont sur le banc. Je te donne, je te donne leur cadet. Je te donne des aspirants. S'ils n'avaient pas gagné hier, ils ne seraient pas rentrés chez eux. Alors, nous allons terminer sur la recette miracle pour 2022. 2020, vous savez, oui. en football, il n'y a pas, il n'y a pas, comme on dit, de, résultats programmés. Il faut toujours travailler. Il faut toujours travailler. Je vous donne l'exemple. Les gens s'agitent pour ces résultats d'hier. Vous avez oublié que l'année dernière, on a fait match nul avec le Brésil de Neymar. Hmm. La presse brésilienne a tiré sur son équipe et ce Brésil-là était à une balle de perdre contre le Sénégal. Quand on est à 1-1, Sadio Mane trouve le poteau à la 88e minute. Mm. Et s'ils avaient perdu, c'est parce que ce match-là, on en avait besoin, nous. Exister devant le Brésil nous fait du bien. Mais quand le Brésil bat le Sénégal, ce n'est pas une information. Brésil bat Sénégal. Ce n'est pas une information. Sénégal bat Brésil, oui. Sénégal fait machine avec le Brésil, oui. Voilà comment chez eux, les Brésiliens, comme on dit, ont, été passés au crible par par leur presse même avec le 1-1. Eh ben, en tout cas, avec le potentiel qu'on a, on doit pouvoir maintenant se mesurer au grand. Mais c'est ce potentiel qui fait du Sénégal un grand d'Afrique. Nous sommes dans une cour de grand où nous sommes l'un des rares pays à n'avoir jamais gagné. Vous savez, le problème du Sénégal, c'est quoi aussi Les Sénégalais ont donné à leur équipe une dimension qu'elle n'a pas. Nous n'avons jamais rien gagné. Jamais. La faute en partie Nous ne sommes ni le Cameroun, ni l'Égypte. La faute en partie aux entraîneurs. Quel entraîneur Pourquoi toujours aux entraîneurs pourquoi tous Les entraîneurs ne sont pas des, faiseurs de miracles. C'est l'entraîneur qui manage l'équipe. C'est l'entraîneur qui euh, fait un classement, qui fait par exemple euh, des choix sur le terrain euh, avec un classement bien clair. globalement, c'est le, le, responsable. Globalement, ses choix, ces choix, ces choix l'ont protégé parce que je dis moi, à l'UCC... parfois, ces choix font objet de polémique. Oui, mais l'équipe de France est championne du monde. Elle a été critiquée au lendemain de la finale. Parce que disait-on à Didier Deschamps, ce sont des attaques rapides. La France a gagné des matchs dans lesquels elle n'a jamais eu la possession. Ce n'était pas important. L'important, c'était de tirer le maximum de, profit de la qualité de ces hommes, les Mbappé et les autres. Ils ont gagné la Coupe du Monde devant Messi, qui était certainement supposé être meilleur que Mbappé. Alors, très bien. Bon, le football, c'est ça. On tire le maximum de profit de l'aptitude de ces hommes pour aller à l'essentiel. Nous sommes vice-champions d'Afrique. Oui. Je le rappelle. Et au classement, nous ordre. voulons être champions d'Afrique. Au classement, oui, oui. En 2022. Mais qui joue la finale peut un jour devenir. Mais nous revenons de très loin. Nous, nous pouvons apprécier aujourd'hui ce rang-là parce que nous savons d'où nous sommes partis. Très bien. Nous sommes partis de rien. Jusqu'à présent, il n'y a rien parce que nous ne sommes pas champions. Et cependant, nous sommes logés dans la cour des grands par les résultats, par ces résultats. Bon, nous comprenons que euh, votre point de vue, et nous le respectons d'ailleurs, à c'est n'est pas le problème pour vous, il faut le renforcer. Non, non, et puis voilà. il faut le renforcer. Oui. C'est sûr qu'il euh, doit être renforcé, oui. notamment techniquement. Euh, vous l'avez dit, contrôler un match, il faut maintenant le gagner. Mais ce problème-là, ce, problème là c'est un casse-tête pour tous les entraîneurs. Parce qu'il faut être deux. Même le Boule daw bo daw bo daw rek combat bi du durer deux minutes mbeuri ding ko deg ça pour combat bi ça dépend de lui bu dawul mais en football quand tu tombes sur un adversaire bu daw qui du ko daw il joue dans sa surface de réparation pour la première fois ma gis gardien Sénégal bu lal deux balles ci match ben première mi-temps ben deuxième mm. et celle de la deuxième mi-temps Cheikh koyate moo passe de la tête mm. ak équipe bi du guen un moment ils ont une rentrée de touche Gana gay di len jox bal bi ñu bañ mom mm-hmm. touche bien. Hein garde leur donne la balle nous nous Nous devons jouer. en tout cas comme disent les Wolofs, ça doit sa un que si il faut que. je viens de vous dire que nous n'avons euh, jamais rien gagné je vous dis que nous n'avons. je parle d'Aliou c'est moi je suis toujours sûr. mais Aliou c'est si tu le fais partir aujourd'hui tu vas le répertorier comme étant l'un des entraîneurs sénégalais ayant réussi les meilleurs résultats. Je te dis que seul Bruno Metsu a fait mieux un quart de finale de Coupe du Monde. On termine avec euh, euh, Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, un jour pour jour que nous avons oui. quitté. Oui. Pape Diouf, euh, euh, il mérite des honneurs pour avoir un jour valorisé, comme on dit, notre race. Un Africain, président d'un club en Europe en France, ça ne court pas les rues. Il a beaucoup de mérite. Et son mérite, c'est d'avoir surtout réalisé des Sénégalais. Il a réalisé des Sénégalais qu'il a aidés en toute discrétion. Euh, Marseille lui doit beaucoup. Mhm. C'est Marseille qui doit à Pape Marseille lui doit beaucoup. Ce n'est pas pour rien qu'il a été président de l'Olympique de Marseille, lui le Sénégalais, lui l'Africain. Mhm. Ah bon, euh, euh, il, a, il a poli le prestige et des Africains et des Sénégalais en réussissant à ce, niveau. Et je suis content que Pabiouf devienne quelqu'un d'éternel dans le concert euh, euh, des grandes villes. son rêve le plus cher a été que le Sénégal remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bien sûr. que, que qu'en 2022, que ce soit la bonne. Oh, vous savez, en football, une victoire ne se décrète pas. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans un match de football. Et Aujourd'hui, le football est devenu d'ailleurs, comme on dit, euh, le phénomène le plus mondial. On s'entraîne partout de la même manière et avec le même matériel. Très bien. Avec le même matériel. on est tous logés. Les, amateurs marrons n'existent plus. Celui qui est au travail, à l'atelier, au bureau, au chantier, l'après-midi, il vient. Non. Des amateurs qui travaillent comme des professionnels. Voilà comment le football s'est unifié. Il n'y a plus, comme on dit, de petites nations de football. Il n'y en a plus. Ah oui tout reste possible. Il n'y a plus de potes poussées. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tout reste possible tous les jours. Oui. Très bien. Merci beaucoup, Abdoulaye Diaw. Merci, Binta. Merci, Barthélémy. Merci, Binta Diallo. Merci également au doyen Diaw. Merci, Merci. d'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.